gannaaw bu ñu ñëwee fi nga xamante ni moo di université Cheikh nga xamante ni moo di pavillon D toll ci chambre 39 ñaawteef gi ñu naam sax a wax bi sax dafa xaw a yéeme ci lool ndaxte kat du ñu bëgg di wax wala sax dañoo am ak tiitaange ak njàkkere waaye ñoom lenn rek la ñu bëgg li nga xamante ni moo di ku jël matuwaay yi ci war ndaxte kat mën nañ ne seen li nga xam ne moo di sécurité dafa mel lool Dakar instant dem na fa def as gëstu bu am solo dañ ko teewlu te ñëwaat. Amadou ñu ngi lay nuyu. ah ñu ngi lay fay. ñu fekk le fi nga xamanteni modi université Cheikh Anta Diop euh, fi nga xam modi pavillon D buntu chambre 39 liñ jotté dégg nee chambre 39 euh, ki nga xamanteni ne moo jiite UCAD daf ko mujjé nangu ci walu ndaw yi fi nekkoon est-ce que mënoon nga ñëwaat tuuti rek ci fay lan mo fi xewoon. non vraiment maîtriser wu ma fay nak parce que dama génnoon après ci la ñëw dégg ñuy wax genre ci pavillon bi.

Euh, dinañ mëna contrôler ñaan noo étudiant gi ñi newul étudiant ci pavillon yi mais insécurité bo amul mom xam nga c'est l'anarchie quoi c'est le désordre total xam nga moy lu neex way mu def lu neex way mu ki do xam carrément les choses mu demee quoi. Euh, tay ji en tant que UCAD mun nañ sax maison d'éducation la donc doon na cité ba nga xamante da ngay gis nit fépp lay jógee ci aduna ñeu dëkk fépp bu ko défé egg li nga xamante modi ay études tay ji est-ce que yéen waro leen taxaw jël ay décisions fermes concernant ci pavillon yi. oui loolu ñun d'une part nous avons mais parce que milieu scolaire milieu éducatif bu vraiment vocation et ça a commencé à devenir paradoxal même vraiment parce que ici c'est un temple du savoir on est venu ici pour accueillir du savoir aller en même temps retourner euh, nos village natales. donc nous nous lu bëri de nous nous

Euh, dire que fekkuma fi woon sérieusement parlant fekkuma fi woon mais euh, université ku ne xam na ne ak affluence bi fi am manque de sécurité am la plupart dañuy dañuy dañuy gis ne dañuy dañuy échappé contrôle coude bi donc loolu moo moo moo mooy waral problème yu voilà. dégg nañ loolu. Euh, waaw loolu loolu ñun dinañ ko rafetlu parce que déjà ñun suñu sécurité moo nekkoon moo nekkoon en jeu parce que euh, fu ñuy fu ñuy fu ñuy waxee toxicomanie wala drogue rek ku ne xam ne ne violence mënu fa ñàkk léegi ñun ñuy taxawal woon ak moom xamoon nañ carrément risques yi nekk di di di di encourir

kan on codifié les su des diw la ñu xool quatre étudiants. est-ce que y a cohérence avec ak le le truc de de de codification comme ça dinañ mën a repérer xam ñaata chambre ñoo fi nekk ñaata étudiant ñoo logé keneen ku fi ku fi bokkul ak ñu ñu en tout cas man kudd daal laay gën a lancer appel ñu gën ñu mettre l'accent sur le contrôle. La bon ce que je j'aimerais dire c'est d'abord que il y a d'abord une grande part de responsabilité des étudiants euh, parce que quoi qu'il en soit nos parents, pour eux, nous sommes là pour les études. Et puis donc, on ne veut pas mêler ces études-là avec euh, certaines pratiques qui sont tellement facées, illicites. Ouais. Euh, le coude aussi, il devait essayer de, voir à qui confier les chambres. Oui. Essayer de contrôler qui sont dans les chambres, qu'est-ce qu'ils font. De la part des étudiants, on pouvait même les dénoncer, mais le problème est qu'il y a cette neutralité-là que vous dites et cette solidarité-là. on ne veut, pas se faire du mal entre étudiants. Il y a ce problème-là aussi. Bon, raison pour laquelle s'il il y a des tas de trucs louches qui se produisent ici à l'université, les étudiants ne le, ne le comment dirais-je, nous ont pas exposé ça dans le public, parce que c'est un milieu qui est fermé et close. il y a ça. Maintenant, quoi qu'il en soit, ce qui devait être fait a été déjà fait. Ils ont été appréhendés. Et bon, maintenant, le restant, c'est à voir. Et je pense que euh, les agents de sécurité du coup feront, feront ce qu'ils auront à faire. Est-ce que vous le connaissez Bon, franchement, peut-être euh, je reconnais leur visage, mais je ne le connais pas personnellement. C'est ça. Je sais, peut-être je peux te dire tel gars et tel gars, ils, sont, ils, font partie de la chambre, mais leur nom et leur identité, je ne le connais pas, c'est ça. bien sûr, euh, ce sont des chambres individuelles, les chambres à, une seule personne, un seul étudiant. Mais ça aussi, le coup ne peut pas s'empêcher d'interdire les étudiants d'héberger leurs camarades parce que les chambres ne suffisent pas. Il y a autant d'étudiants, mais il n'y a pas assez de place. Donc c'est le coup qui tolère les étudiants. Franchement, ça c'est euh, un grand remerciement pour la part du coût, qui sait nettement que les étudiants hébergent au-delà de ça. Donc avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ne vont pas prendre des décisions qu'ils ne voulaient pas prendre concernant ce qui passé Bon, bien sûr, ça peut. Il peut, prendre des décisions à ça, c'est de leur droit franchement. Parce que tu ne peux pas, quand on en offre, quand tu donnes la main à quelqu'un, il doit juste se limiter à la main. Mais prendre les deux mains à la fois, là, c'est débordant, franchement.

yoon kat tek na leen loxo pour jéem wéyale enquête bi waaye itam ñu fatali ko tey ne ah, gannaaw bañ leen fekkee fi nga xamante ni moo chambre 39 benn étudiant dong moo inscrit fi nga xamante ni moo di ñu ci des ñëpp ken xamul fu ñu jugee ba tax ne ñoom étudiants yi ñu ngi ñaan ñu renforcer li nga xamante ni moo la sécurité ndaxte kat jëmm ji ah, bu ñu tëddee ah, jamono gi bu ñu tëddee du ñu nelaw ndaxte kat ñu ngi fàttali ñoom seen wàllu bopp ne fi nga xamante ni moo di université Cheikh Anta Diop temple du savoir la waaye itam waru don temple du chanvre indien jërë